Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse du studio Kalangu. L'émission qui réunit les confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser les faits marquants de l'actualité de la semaine écoulée. Au menu du Forum de la presse de ce soir, d'abord de la politique. La Cour constitutionnelle a officiellement proclamé le dimanche 21 mars 2021 dernier les résultats globaux définitifs du second tour de l'élection présidentielle du 21 février passé. C'est le candidat du PNDS Tareya qui est désigné vainqueur avec 55,66% des suffrages contre 44,34% pour son challenger Mohamed Ousmane, candidat du RDR Tsenji. Ensuite, nous discuterons de l'installation officielle de la troisième législature de la 7e République a eu lieu lundi 22 mars en présence du Premier ministre, chef du gouvernement et des présidents des institutions de la République. Enfin, nous terminerons avec les attaques récurrentes perpétrées ces derniers temps contre des civils dans plusieurs localités du pays, dont les plus récentes sont celles de Tilia et d'Anzuru dans les régions de Tawa et de Tilaberi. Pour discuter autour de ces sujets, nous avons invité nos confrères frère Issa, journaliste freelance. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir, Monsieur Garé. bonsoir. Et Memoun Gado, journaliste freelance. Bonsoir, Memouna. Bonsoir, Fatih. Je suis Fatih Zakari à la modération de ce secondes. Bienvenue à tous euh, dans le forum de la presse de ce vendredi 26 mars 2021 que nous ouvrons par un sujet politique. La haute juridiction en matière électorale, à savoir la Cour constitutionnelle, a procédé dans la nuit du dimanche 21 mars 2021 à la proclamation des résultats globaux définitifs du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier. Au terme de cette proclamation, c'est le candidat du PNDS Tareya Bazou Mohamed qui est proclamé vainqueur avec 55,66% euh, des suffrages exprimés valables contre donc 44,34% euh, pour son challenger, le candidat du RDR, Tchangi Mohamed Ousmane. Aussitôt après la proclamation des résultats globaux définitifs euh, du second tour de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle, le candidat du RDR Tchendi et de la coalition CAP 2021 a fait une sortie médiatique. Dans un point de presse qu'il a animé, Mohamed Ousmane a rejeté en bloc les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle pour n'avoir pas respecté la procédure légale à la matière, notamment pour n'avoir pas en vidé le contentieux d'abord par un arrêt avant celui des résultats définitifs. Quelle analyse vous inspire cette sortie médiatique du président du RDR Mokhtar Tchangi, Monsieur je commence par vous. Oui, euh, moi, la sortie médiatique de Mamoun m'a beaucoup surprise parce que, mhm. vous savez, concernant la proclamation de l'État par la Cour constitutionnelle, j'étais tout sauf surpris. D'abord, l'écart entre le candidat Bazoum Mohamed et le candidat Mamoun était un écart monumental. On parle de plus de 500 000 voix. On ne vous parle pas d'un score euh, de Bazoum Mohamed qui bat Mamoun Ousmane avec 51, non, non. On parle de 55,75% déjà dans le, chiffre donné par là la Commission électorale nationale. Donc l'écart est tellement grand que même si il arrivait même qu'on annule, supposant 400 000 voix, ce qui serait incroyable, mais 400 000 voix, Bazoum serait toujours président. Donc moi, c'était un faux suspense que les gens voulaient entretenir. Et ce faux suspense a été renforcé encore plus par la cacophonie qu'il y avait eh, au niveau du camp de Momo Ousmane. Mm Ousmane avait dit que j'ai gagné l'élection avec 50,30%. Mhm. Alors, un de, ses partisans, sur une, télévision étrangère, Sika TV, a dit aussi, il a répété les mêmes chiffres. Selon les résultats qu'ils ont compilés, qu'ils ont recensés à 18 h le jour de la programme, ils ont 50,30%. Et qu'est-ce qu'on a attend Deux jours après, patatras L'avocat qui sort, qui donne un autre chiffre. 54, ce qui prouvait que ça allait dans tous les sens. Et ça présageait un peu la légèreté peut-être avec laquelle le camp de Moussouman a abordé cette contestation-là. Pour moi, euh, ça ne tenait pas debout. Mm. Et donc, je n'étais pas surpris. Maintenant, Momo rejette les résultats. Euh, il va se confronter à un problème parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle le sont susceptibles de cours de cours recours. Et donc, je ne sais pas par quel moyen il va contester ces résultats. J'espère quand même que ce sera par les moyens légaux parce qu'il l'a répété. Mhm. pas les moyens, mais par quel moyen J'aimerais que les juristes nous expliquent. Euh, par quel autre moyen, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas Après les félicitations des chefs d'État, du monde entier. Par quel autre moyen peut-on contester euh, un résultat d'une élection, Donc, je me demande. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a constaté quand même que depuis que ces retards sont tombés, mhm. il y a eu un regain de tension, mhm. notamment au niveau de, de, de, de Momo Ousmane, qu'on accusé d'être un traître à la, à la CAP 2021, de ne pas vouloir faire le combat. Et il est sorti, il a fait une sortie médiatique. J'espère que cette après-élection mhm. sera une après-élection qui va permettre à tous les Nigériens de se calmer et de regarder vers une direction, c'est-à-dire en tout cas de travail, de faire de l'opposition, mhm. mais vraiment de ne pas faire preuve de violence. Pourquoi je le dis Parce que les députés de l'opposition ont pris leur place à l'Assemblée nationale. Ils ont dans le bureau, ils sont dans toutes les structures de l'Assemblée nationale. C'est un signal en réalité qu'ils donnent aux militants de base qui ne comprennent pas souvent, qui a l'impression que les antagonismes politiques sont des haines, qui a l'impression que non, non, euh, ces hommes politiques qui sont en train de se. Non, non, ils se détestent, ils ne peuvent pas se parler. Non, non, non. Allez-y à l'Assemblée nationale, vous allez voir que les députés qui sont censés être des ennemis mhm. sont dans une parfaite symbiose parce que qu'est-ce qui est le plus important C'est le Niger qui est le plus important. Mhm, bien sûr. Diadou, quelle analyse vous inspire à cette sortie médiatique euh, du président du RDR, Tjanji Mahaman Ousmane euh, D'abord, il faut comprendre que Maman Ousmane est dans sa robe euh, d'opposant. Mhm. C'est tout à fait normal qu'il sorte pour contester ses résultats. Après, bien sûr, le résultat prononcé par la Cour constitutionnelle qui fait de Bazoum aujourd'hui euh, Bazoum Mohamed président élu. Donc je me dis également, euh, parce que Mohamed Ousmane devrait sortir, parce que tout simplement il y avait une pression qui était vraiment sur lui. La pression c'est quoi C'est que les militants avaient soif de voir leur euh, candidat sortir pour dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi la Cour constitutionnelle a donné favori le président Bazoum. Donc il fallait expliquer très rapidement, contester pour apaiser euh, ces, militants-là qui étaient en fou. Donc c'était c'était véritablement moi c'est ce que je vois euh, la sortie médiatique euh, de Maman Ousmane. Maintenant, la Cour constitutionnelle, on dit que ce n'est plus à l'heure du jour de parler donc de ces résultats parce que quand la Cour constitutionnelle dit le verdict. Mhm. On est obligé de se conformer à ça. Mhm. Et maintenant, comme l'a dit Garé, je ne sais pas par quel moyen aujourd'hui euh, Maman Ousmane détient quel moyen pour faire recours pour que euh, ce qu'il conteste soit entendu. Je ne vois pas, parce qu'on dit que dans un pays, c'est la Cour constitutionnelle qui fait de quelqu'un président euh, d'un pays. Aujourd'hui, Bazoum est président. Du moment où l'Assemblée nationale a déjà un président de l'Assemblée nationale et le bureau qui a été mis en place. L'opposition a pris sa place au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qu'il revient de faire, c'est au nouveau président élu de voir comment est-ce qu'il va approcher l'opposition et à l'opposition de venir peut-être soutenir le candidat pour que vraiment dans cette histoire, le Niger sort, qu'on soit vraiment euh, un modèle en Afrique. Un modèle en Afrique parce que là, nous sommes dans une situation très critique qui est l'insécurité. Les gens aujourd'hui, peu importe les divergences qu'il y a dans cette affaire de politique, l'essentiel, c'est le Niger. On n'a qu'un seul pays, le Niger, et on est obligé de venir construire le Niger ensemble. Maintenant, c'est ce que je, suis en train de dire. À la sortie d'abord médiatique du président élu, mhm. euh, au moment où euh, la CENI avait proclamé les résultats provisoires, uh-huh. il était sorti et dans son message, il avait appelé à l'apaisement uh-huh. et il avait appelé et félicité dans son message le candidat malheureux, uh-huh. Maman Ousmane, pour lui dire tout simplement de venir. Vraiment, dans toute chose, il y a un gagnant et un perdant et c'est le Niger qui gagne. Deuxièmement, c'est le même message, il est revenu sur le même message après la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle. C'est un message fort mhm. et je pense qu'aujourd'hui, nous, allons, nous devrons taire ce que nous avons en nous, mhm. progresser, aller de l'avant et espérons que les cinq ans à venir, ça sera un cinq ans meilleur pour tout le monde, pour tous les Nigériens. D'accord, merci Mme Ndiadou. Hussein Issa, on a constaté une certaine accalmie, contrairement à la proclamation des résultats euh, globaux provisoires où la tension avait régné dans quelques endroits euh, du pays. Selon vous, euh, à quoi est dû cela bon ben, Vous savez, Fatih, c'est que quand les résultats globaux provisoires avaient été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, ça a suscité une réaction spontanée un peu ici à Niamey, Dosso, Zender, où les gens, ils ont considéré que les choses ne sont pas déroulées dans la transparence et tout et tout, tenant compte du fait qu'ils avaient eux aussi, parce que vous savez, en matière électorale, chacun essaie de compiler ses résultats. Et c'est ça qui a assisté ça. Mais Maman Ousmane, quand il est sorti la première fois, il a fait une série de sorties. Il a dit aux gens de se calmer. Il va introduire une requête. Et il a fait un document de 150 pages avec des éléments de preuve à l'appui et tout et tout qui ont été introduits. Et il a dit que il faut attendre que la Cour constitutionnelle se prononce. Bien évidemment, il s'attendait à ce qu'effectivement, parce que vous l'avez dit au départ, ceux qui se plaignent du fait que la Cour constitutionnelle n'ait pas examiné le document qu'il a introduit. Ça a été fait un peu à la va-vite et dans la précipitation, il l'a souligné dans sa déclaration. Et c'est ça qui a fait que quand la Cour constitutionnelle a décidé à valider la victoire de, comme avait dit, de Bazoum, les gens se sont mobilisés chez lui pour lui dire on attend un mot d'ordre ne votre pas, Monsieur le Président, vous nous avez dit d'arrêter et de vous calmer. Mhm. Et jusqu'ici, à ce que je cherche, il ne reconnaît toujours pas les résultats. Et quand on fait des élections en Afrique, vous savez, quand il n'y a pas une reconnaissance systématiquement par l'adversaire, ça veut dire qu'on est toujours dans la crise post-électorale. On ne sait on ne sait pas comment ça va déboucher, comment ça va finir. Mais toujours est-il dit que tant qu'il va rester dans sa posture là, il ne faut pas peut-être imaginer que tout est fini. Peut-être qu'il n'a pas d'autre voie de recours. En tout cas, voie de recours légale, peut-être qu'il n'en a pas d'autre, mais on ne sait pas comment il va réagir par la suite. Mais toujours est-il dit, et je le dis de manière globale, mhm. en Afrique, de manière générale, ce pas des élections qui s'organisent. Je le dis haut et fort, parce que quand on veut faire des élections, il faut que les institutions qui sont chargées d'organiser ces élections soient des institutions véritablement indépendantes, il faut qu'on crée les conditions pour que les gens puissent aller. Parce que c'est quoi l'importance des élections C'est quoi l'importance de la démocratie C'est d'abord pour permettre aux citoyens, on donne un mandat à quelqu'un pour gérer l'État, pour donner la possibilité aux citoyens de pouvoir sanctionner au cas où la gestion a été euh, calamiteuse. Mais quand on est en Afrique de manière générale, hein, en Afrique noire de manière générale, on voit un peu partout comment ça se passe. Quand vous êtes au pouvoir, il est difficile de perdre. C'est à ça qu'on a assisté. C'est pas autre chose. On voit un peu partout. Récemment, c'est le Cameroun, c'est quel pays qui vient d'organiser des élections avec un grabataire de 77 ans <laughs> qui, qui, qui sait, qui est revenu mm. à 77 ans, qui est revenu un peu partout en Afrique. Et c'est ça, moi, j'ai dit, le combat que les gens doivent faire, le mm. combat véritable que les gens doivent faire. C'est bien beau de dire, bon, vraiment, il faut que les gens. Non. Vous savez, voler des voix, ça fait davantage mal parce que quelqu'un s'est prêt à aller voter pour vous. Et quelqu'un considère que lui, il considère qu'il peut usurper ces voix-là. C'est du vol. J'aimerais quand même dire quelque chose. Je pense que euh, la Cour constitutionnelle a vidé le contentieux électoral. Mhm. Il ne nous appartient pas de dire que quelqu'un a volé ou quelqu'un a fait quelque chose. Je pense que euh, euh, ceux qui sont concernés par la chose ont déposé un recours à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a vidé. C'est bien facile d'accuser l'autre d'avoir euh, d'avoir mal agi ou d'avoir volé, mais vous savez, <laughs> c'est un peu relatif. C'est très facile. Mais la preuve, ce que vous l'apportez au niveau de la Cour constitutionnelle qu'on vous a volé. Et la Cour, c'est elle qui examine. Et quoi qu'on dise, la Cour n'a pas, ne s'est pas précipitée. La Cour, son délai courait jusqu'au 26. Est-ce que vous comprenez Elle a fait plus de 20 jours en train de suivre les procédures pas à pas, pas à pas. Le, euh, euh, présenter les documents à l'avocat de base, présenter les avocats, euh, aux avocats de etc., etc., Parce qu'il y a eu des coups de... Donc, et c'est ce qui fait que on a constaté une petite baisse par rapport au chiffre de, de Bazoum Mohamed parce que c'est de 55,75%, on est arrivé à 55,66%. Donc vraiment, c'est n'est pas un truc bâclé, mhm. mais euh, il faut savoir perdre. C'est extrêmement important. Bazoum Mohamed est désormais celui qui doit présider à la destinée du Niger. Quels sont les défis à court, moyen et long terme euh, auxquels donc il doit s'attaquer Le défi à court terme d'abord, mhm se réconcilier les Nigériens. On n'a jamais vu une campagne électorale aussi épouvantable, aussi pourrie, Fatih. Aussi pourrie. Les gens ont poussé les limites de la décence, n'est-ce pas Les limites de l'indécence. Ils sont partis juste dans les tréfonds de la puanteur sociale, mhm. soulever des sujets, l'ethnie, la race, le teint, etc., etc. Ils sont partis. C'est pourquoi j'ai dit que le premier défi mhm. immédiat pour le président Bazoum sera de réconcilier les Nigériens. Et c'est pas pour rien que dans son discours, il a dit qu'il va être le président de tous les Nigériens, de tous. Aussi bien ceux qui ont voté pour lui que ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et c'est pourquoi il a tendu la main effectivement à son adversaire pour venir travailler. Je suis d'accord avec ce que Mimouna avait dit. Mimouna a dit quelque chose de très important. Mhm. Voyez ce qui se passe. Il ne se passe pratiquement pas une journée sans qu'on nous annonce des attaques mhm. avec des massacres. Cette fois-ci, le civil. Mhm. On ne s'en prend plus aux militaires, c'est le civil qu'on massacre. Et donc, eh, dans ces conditions-là, eh, on a le choix devant l'histoire de prendre une posture de développement, une posture, qui va, une qui va permettre à notre pays de faire face à ces grands défis-là. C'est-à-dire, c'est quoi Moi, je ne dis pas à l'opposition de venir entrer dans le gouvernement. Mais si l'opposition veut, il n'y a, pas de problème. Mais que l'opposition fasse une opposition responsable. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas en ajoutant à la violence, déjà à la violence terroriste, faire de la violence urbaine, n'est-ce pas Programmer de la violence urbaine, ce n'est pas ça qui va faire avancer le pays. Donc, j'ai dit, mm-hmm. euh, moi, j'interpelle vraiment toutes les parties prenantes ont mhm. essayé à d'accorder. Il y a un moment pour la guerre, il y a un moment pour la paix. Les élections sont finies, mhm. quoi qu'on dise, n'est-ce pas Mais je suis d'accord avec Ousseini, tant que ben, même Ousmane n'a pas reconnu sa défaite, c'est vraiment c'est une situation assez délicate. Et c'est pourquoi j'ai dit, euh, j'appelle les uns et les autres à terre ces rancœurs-là, n'est-ce pas À terre ces rancœurs-là, rien que pour la question sécuritaire rien que pour la sécurité pour que nous puissions voir ensemble. Et je vous ai dit, moi, ça m'a beaucoup plu de voir les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session. Ça m'a beaucoup plu <laughs> de voir les députés de l'opposition. Oui, non, non, c'est vrai. De les, voir, non, de les voir <laughs> occuper leur place dans le bureau. Et pour moi, c'est un signal qu'ils donnent aux militants. Et il faut que le signal, le militant sache le lire. merci. Même Diado. Quels sont les défis euh, qui attendent euh, le, nouveau président de la République, Bazoum Mohamed Les défis, d'abord, c'est, comme l'a dit Garé, mhm. unir les Nigériens. Mhm. Unir les Nigériens parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas diriger un pays sans tous les Nigériens. Mhm. Maintenant, après ça, il y a l'insécurité. En unissant les Nigériens, il faut aller vers combattre l'insécurité. Après l'insécurité, il faut également que le nouveau président songe à regarder d'un bon oeil les secteurs sociaux de base. C'est mhm. très important. Ça, c'est vraiment un défi aussi. Les secteurs sociaux de base comme l'éducation, la santé, aujourd'hui, je pourrais également euh, citer euh, comme secteur sociaux de base euh, l'alimentation. Mhm économiquement également. Aujourd'hui, tout ce, tout ce qui se passe, parce que si aujourd'hui, quand on regarde, euh, pourquoi est-ce que aujourd'hui on arrive à enrôler les jeunes, c'est parce que tout simplement, on n'arrive pas à faire grand-chose pour la jeunesse nigérienne, pour faire sortir de cette jeunesse nigérienne dans ce qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance, c'est l'éducation. Comment est-ce qu'il faut faire Donc, il faut nécessairement qu'ils reviennent pour regarder ce qui ne va pas au niveau donc de ces secteurs sociaux de base. C'est avec les trois là, les trois composantes là, je suis sûr que on pourra aller de l'avant. Le Niger pourra aller de l'avant. Et maintenant, après les secteurs sociaux de base, il y a ce, également l'exploitation aujourd'hui du pétrole, l'uranium, le gaz, tout ce qui aujourd'hui qui devrait concourir à ce que tous les Nigériens puissent profiter <laughs> de la masse, oui, oui, du minerai, il faut également regarder de ce côté. Parce que dans un pays, quand d'autres sortent pour montrer qu'il y a peut-être de l'injustice en l'air, <laughs> ça ne peut être qu'au niveau des ressources. Les ressources minières, il faut que ça profite à tout le monde. Et je suis sûr que peut-être il tiendra compte de ça. Et c'est déjà bon. Merci, euh, Maïmoune nous passons à présent donc au deuxième sujet du forum de la presse. Il s'agit de l'installation officielle de la troisième législature de la septième République. Au total, 166 députés vont siéger à l'Assemblée nationale durant les cinq années à venir sous la présidence de Seyni Omar, élu ce mardi président de la dite institution. 42 femmes figurent parmi les 166 députés, contrairement à la législature précédente où les femmes étaient au nombre de 29. Quels sont les facteurs qui ont contribué à cette prouesse dans le respect de la loi sur le quota husseinissa Je vais quand même réagir avant d'en arriver là, parce que tout simplement, j'ai mhm. senti un peu à travers les interventions de Pazoumé et de Maimouna, mhm. le véritable défi. Mhm. Le véritable défi. Hein. Parce que tout ce à quoi on a assisté au cours de ces dernières années, c'est sous ce régime-là la, fraction. Tout, c'est sous ce régime-là. On a connu d'autres régimes, on n'a pas connu autant de fractures sociales. Ça, c'est le défi le plus important. Mm. L'autre défi, c'est la bonne gouvernance et le bannissement de l'injustice. Parce que dans tous les pays où vous voyez ça ne va pas, mm-hmm. c'est parce que les gens sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent plus continuer à supporter l'injustice. Voilà le véritable défi. Mm-hmm. Maintenant, l'Assemblée qui vient d'être installée. Ok, d'accord. C'est le même machin, c'est, comment dirais euh, comment vais-je dire, euh, le, le, cirque traditionnel. <laughs> C'est une assemblée avec euh, effectivement 42 femmes. Le, taux, le nombre de femmes a augmenté, c'est une bonne chose. <laughs> C'est lié un peu à la loi du quota qui est en vigueur depuis 2000. <laughs> Mais je vais dire une chose. C'est bien beau de dire qu'il y a une ouverture et tout et tout. C'est des représentants du peuple. En tant que représentant du peuple, ils sont là pour défendre les intérêts du peuple, pas pour défendre les intérêts de clan. Mais malheureusement, c'est à quoi on assiste dans nos pays de manière générale, c'est que les députés pensent qu'ils sont là pour défendre un gouvernement, alors qu'ils sont là. Le mandat impératif est nul, comme on a l'habitude de mhm. dire. Ils sont là, ils doivent faire leur travail de manière indépendante, de manière consciente, comprendre qu'ils sont là pour le peuple, ils ne sont pas là pour un gouvernement. Quand le gouvernement déraille, il doit pouvoir dire non, on arrête. C'est à quoi on a assisté au cours de ces dix dernières années. Pas de réaction, rien. Mhm. N'importe quel projet de loi. On a vu la loi de finances 2018 où on a mis des taxes, des impôts, ça a été validé. Où des députés pensent que non, c'est notre pouvoir, c'est notre régime. Mhm. Ce n'est pas une affaire de régime. Vous êtes là, mais malheureusement, je ne pense pas, parce que vu la configuration des gens qui sont là, mhm. de part et d'autre, hein, je ne vois pas qui va faire quelque chose. Je ne vois pas qu'est-ce qui va changer véritablement, moi, je ne me fais pas d'illusion. Dans le contexte actuel, je ne me fais pas d'illusions que quelque chose va changer. On va assister encore à la même litanie pendant cinq ans. Le gouvernement peut tout faire passer. Ils vont adopter, que ce soit bien ou mauvais pour le peuple. Mhm. Mauvais pour le peuple, ils vont, ils vont, adopter. Moi, je ne me fais pas d'illusions dans tous les cas. Même Gado, quels sont les défis qui attendent euh, les députés, les nouveaux députés Les défis qui attendent les nouveaux députés, c'est de travailler pour le Niger c'est de travailler pour ceux qui les ont élus. Parce qu'ils sont là grâce à ces gens-là. Aujourd'hui, c'est de défendre les intérêts d'une population. Ne pas défendre sa propre poche, mais défendre les intérêts d'une population. Aujourd'hui, il y a ceux qui n'ont pas pu être reconduits, qui ont bien voulu être à leur place, mais aujourd'hui, c'est d'autres qui les ont remplacés. Maintenant, si on doit toujours assister, comme l'a dit Ousseini, à ce qu'on a vu par le passé, où c'est des lois on amène au niveau de l'Assemblée nationale, tout le monde lève la main, on dit ça doit passer comme à la poste. Je me dis que ça doit s'arrêter. On ne défend pas un gouvernement en votant toutes les lois qui passent, mais on essaie de sanctionner un gouvernement quand on sait que la loi ne sera pas en faveur, bien sûr, d'une population. Et pour les femmes. pour les 42 femmes, euh, c'est vraiment euh, extraordinaire mhm. que qu'on puisse avoir 42 femmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais que ces 42 femmes également défendent mhm. les droits des femmes. Nous avons vu par le passé <coughs> le nombre de femmes qui étaient à l'Assemblée nationale mhm. où on n'a jamais entendu, ne serait-ce que peut-être même si on entend, ça ne dépasse pas deux à trois femmes qui se lèvent peut-être pour expliquer ou bien pour apporter un plus dans le combat de la femme. Le combat de la femme doit se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Tout ce qui peut arranger la femme nigérienne aujourd'hui, toute loi qui peut arranger la femme nigérienne doit être examinée et être soutenue par ces femmes-là. Et faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'on dépasse le stade de quota mhm. et aller vers la parité ça, c'est une lutte que ces femmes doivent engager au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, j'ai été tellement quand même fière de voir que le poste de deuxième vice-président appartient à une femme. Ça, c'est extraordinaire. Et vraiment, je la félicite parce que voyons comment elle est déterminée déjà. C'est une femme déterminée. Et je suis sûre qu'avec elle, avec les autres à côté d'elle, elles peuvent faire beaucoup de choses elles peuvent faire bouger les choses et on a confiance à ces femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut que les choses bougent et les choses changent. Montrer que on est capable, après peut-être, pourquoi pas, deuxième, c'est vice-présidente. On peut toutefois être aussi présidente de l'Assemblée nationale. C'est un souhait. Monsieur Garé, vous avez quelque chose à oui, ce que, je, dois dire, c'est vraiment, euh, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Bah, d'abord, par rapport à ce que Hussein a dit, mhm. euh, c'est vrai qu'il ne faut pas que l'Assemblée devienne une caisse d'enregistrement. Euh, il faut que, par exemple, quand une loi est introduite par le gouvernement, euh, si cette loi-là est mauvaise, que la majorité puisse la rejeter. C'est vrai que par le passé, on a vu, vous savez, parfois il y a de l'unanimité hein, au cours des votes. Hein. C'est ça que les gens oublient. Parfois, par rapport à certaines lois, même l'opposition est avec le pouvoir sur la même longueur d'onde. Ça, c'est pas un problème, ça, n'est-ce pas Quand vous sentez que cette chose-là est bonne et l'opposition vote, moi, je suis très content aujourd'hui euh, de voir que et, je le dis, l'opposition a repris sa place. Franchement, je lui rends hommage parce que ça prouve que euh, l'opposition a compris que le plus important, c'est de travailler pour le Niger. Et c'est à quoi ils sont à télé, ils ont pris leur place dans le bureau. Concernant maintenant la femme, le quota de femmes, moi je rends hommage à, cette ONG-là qui est dirigée par... Euh, L'ONG FAD. L'ONG FAD, quand même, qui a fait un plaidoyer auprès des partis politiques depuis la confection des listes, depuis la confection des dossiers enfin l'établissement des dossiers de candidature. Elle a travaillé pour que, effectivement, on puisse prendre en compte les candidatures. Elle a d'abord encouragé les femmes à, se présenter et elle est partie au niveau des partis politiques pour leur dire ah, mettez beaucoup plus de femmes, il faut respecter la loi de C'est pratiquement cette ONG-là qui est à la base de ce travail-là pour moi. Parce qu'entre 28 et 42, le carré est très grand quand même. Donc, franchement, je rends hommage à cette ONG et je le demande de poursuivre à sensibiliser les femmes et surtout les femmes parlementaires. Parce que il ne s'agit pas d'avoir 42 femmes juste au niveau du Parlement, <laughs> mais il faut que ces 42 femmes puissent valoir quelque chose. Il faut qu'elles participent au débat. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Et c'est justement de ce côté-là que nous restons toujours sur notre fin. Heureusement, quand même, celle qui a été élue deuxième vice-présidente, c'est une femme à poigne, Adil Seini. Mhm. C'est une femme qui a quelque chose dans la tête, qui est extrêmement intelligente et qui a déjà participé au débat au sein de l'Assemblée nationale et qui, je pense, va amener une plus-value. Je demande aux autres femmes de ne pas dormir, de ne pas venir au Parlement pour dormir dans la salle, n'est-ce pas, de participer au débat. Même s'il y a des femmes, par exemple, qui sont peut-être, je ne sais pas, illettrées parmi les députés, mais qu'elles puissent, il y a des traducteurs, qu'elles puissent participer au débat parlementaire pour qu'on puisse savoir que non, non, les 42 femmes-là qui sont venues, elles ont apporté de la plus-value au débat parlementaire. C'est ça qui est le plus important. Merci, M. Garé. Nous entamons la dernière partie de ce rendez-vous hebdomadaire. Depuis quelque temps, le Niger a fait face à des attaques récurrentes par des individus armés, choisissant comme cible les populations civiles. En l'espace de dix jours, ce sont plus de 200 personnes qui ont été tuées dans les régions de Tilaberi et de Tawa. Le bilan officiel des attaques du dimanche 21 mars contre des villages du département de Tilia est établi à 136 morts par le gouvernement mercredi 24 mars dernier, une autre attaque donc, a visé des populations civiles de la commune rurale d'Anzuru, de la région de Tilaberi. Certaines sources euh, parlent d'au moins sept personnes euh, tuées. Quelle analyse faites-vous de cette euh, situation, Hussein Issa Quelle analyse C'est des faits qui sont là. On se pose beaucoup de questions, véritablement. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu la récurrence de ces attaques, de manière régulière. Imaginez l'attaque d'hier. Que des gens viennent à moto. Dans une zone où on a interdit la circulation des motos, une zone en état d'urgence, que des gens viennent, qui parviennent à tuer, piller, se, se répiler. C'est la même chose à Tilia. 137 vies, comme ça, des individus viennent. Ils peuvent faire quatre trucs de temps. Ils finissent. il faut se poser des questions. Dans la bande nord de ce qu'ils cherchent, c'est faire quitter, vider cette zone-là. Ça suppose que l'agenda caché, c'est la création de l'État, comment vais je dire, qu'ils ont l'intention de. jusqu'à dans la zone de Tilia et tout et tout. Mais la question qu'il faut se poser, moi, je ne dis pas, on ne peut pas éradiquer de manière définitive des attaques quand c'est une guerre asymétrique. Mais ce que je n'admets pas, ceux qui viennent faire ces attaques-là. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a le téléphone mobile. Et dans les villages, vous allez trouver, vous n'allez pas dire qu'il a pas, les gens n'ont pas accès. Dans tous les villages du Niger. Certainement, au moment de ces attaques-là, les gens appellent pour informer. Certainement, inévitablement, les gens appellent pour informer. Mais on ne comprend pas pourquoi ça met du temps, pourquoi ces gens parviennent à s'enfuir. Il faut bien se poser des questions. Parce que des motos en mouvement, une centaine de motos ensemble qui viennent qui va de campement en campement. Qu'est-ce qui se passe véritablement Qu'est-ce qui se passe véritablement Avec une zone, parce que cette zone, on dit, c'est la zone des trois frontières, mm-hmm. où il y a quand même des cantonnements militaires et tout et tout. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les populations sont meurtries. Les populations veulent bien être protégées. Ils ont envie d'être de, de, protection. Parce qu'on vous fait quitter votre lieu, votre terroir. Vous allez devenir un assisté, vous ne savez même pas pour combien de temps. Vous allez abandonner votre champ, vous allez tout abandonner. L'école va être fermée. Hier, dans la commune d'Anzou, ils ont brûlé l'école, ils ont brûlé la carte de santé, ils ont emporté des biens et tout et tout. Mais comment se fait-il que pendant, on ne peut pas suivre les traces pour savoir d'où ils viennent C'est la question que les gens se posent. Parce que moi, je me dis quelque part, ces populations-là sont meurtrières. Ils sont soumis carrément à, je ne sais pas, je ne sais même pas quoi dire. Est-ce que c'est normal dans un pays indépendant euh, qui se dit on ne peut pas arriver, en tout cas à minimiser euh, euh, ce genre d'attaque, les, dégâts par rapport à ce genre d'attaque-là Est-ce qu'il faut continuer à pleurer des morts, à pleurer des, dégâts des, des dégâts C'est pas bien. C'est pas bien, c'est des Nigériens. C'est des Nigériens qui ont besoin de protection de l'État. Il faut que l'État se donne les moyens de les protéger où qu'il soit. Même Ndiado, comment expliquer cette euh, nouvelle stratégie euh, de terrorisme <laughs> Vous l'avez dit, Fatih. On aura beau se poser des questions, on n'arrivera pas à trouver une réponse à cette situation. Parce que aujourd'hui, euh, ce n'est plus des camps militaires qu'on attaque, c'est des civils qu'on attaque. Et qu'on nous dise que 4 heures de temps en mouvement et que l'armée qui est sur cette bande mhm. n'a pas eu, euh, je sais pas, n'est pas au courant de cette situation. Et au temps où ils font, euh, l'armée fait euh, sa course poursuite, on nous informe que ces gens ont disparu. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que ces gens sont dans ces villages frontaliers. Ils ne sont pas plus loin. Ils sont dans ces villages frontaliers. Et je l'ai toujours dit, ils sont avec la population. Fatih. Aujourd'hui, je suis d'accord avec ce que Hussein a dit. Mhm. Mais aujourd'hui, quand tu dénonces, sois sûr que eux, ils savent déjà qui a dénoncé, mhm. qui a appelé. Demain, tu seras Demain, c'est toi mhm. qui seras la cible. Ta famille sera la cible. Ça veut dire que ceux qui viennent à moto, il faut regarder. C'est pour ça que j'ai dit, quand euh, eux, ils ont changé de stratégie. Maintenant, c'est à l'armée de changer de stratégie. En fait, pourquoi ne pas, selon moi, essayer de fouiller, de vérifier les villages environnants là, de mener des représailles là-bas pour voir. Parce que je suis sûr ce qu'ils vont trouver dans ces villages-là. Ça va étonner tout le monde. Aujourd'hui, on vient, on attaque sur des motos. À quelques kilomètres ou quoi là, ils disparaissent. Mais qui vous dit qu'ils sont disparus euh, dans la nature Non, non, non, non. Ils reviennent peut-être dans un autre village. On prend le temps de cacher les motos et on vit avec ces populations. Et toi, tu n'as pas le droit de dénoncer. C'est bouche cousue. Maintenant, comme la population a peur, et tout ça là, c'est même pas la population que la population a peur. C'est ce que j'ai dit. C'est parce que tout simplement, si aujourd'hui les jeunes, on arrive à enrôler ces populations, à les faire taire, c'est parce que tout simplement la pauvreté a atteint un seuil. Celui qui ne trouve pas de quoi manger matin, midi, soir, quand il va trouver l'occasion qu'on va lui donner, même si c'est un petit billet de 10 000, il est prêt à se taire et se cacher, et cacher même l'ennemi à cause de ce billet-là. Maintenant, il faut essayer de développer les stratégies, comme je l'ai dit. Mhm. Ce n'est plus l'armée ici, mais c'est nous tous. Nous sommes tous impliqués. Vérifier, parce que là-bas, là, c'est dans euh, les villages environnants que ça se passe. Mhm. Aujourd'hui, à Niamey. Qui sait avec qui tu vis Qui sait avec qui tu manges Qui sait avec qui tu es en train de papoter C'est des choses comme ça. Ils profitent de la situation et ils profitent de la situation parce qu'ils savent que mhm. dans certains villages, mhm. dans certains périmètres, les, forces de défense et de sécurité ne sont pas là-bas. Mhm. Regardez le marché aujourd'hui, le marché de euh, Banibongo, où des civils ont été tués. Aujourd'hui, je vous assure, Fatih, tous les marchés environnants, mhm. ils ne sont pas prêts d'ouvrir. Personne aujourd'hui n'est prêt pour aller au marché acheter quelque chose. Parce que dès qu'on dit il y a un marché pour un autre village, tu mets dans ta tête que la psychose est là. Mhm. Tu mets dans ta tête que ce qui est arrivé aux civils de Bani Bongo mhm. peuvent m'arriver moi. Donc vraiment, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de prier le bon Dieu et pour qu'il nous enlève cette situation de cette situation. Prier et également chercher ensemble comment est-ce qu'il faut faire. Merci, Mme. M. Garé. Oui, il faut dire que euh, je comprends la, colère de Husseini. C'est cette même colère qui est en moi mhm. euh, suite à ces attaques-là. C'est-à-dire, vous savez, le plus choquant, mhm. on a l'habitude de le rappeler, moi et Husseini, ce n'est pas s'attaquer. On a, on a, remarqué que maintenant, ils ne s'attaquent plus aux militaires. Peut-être que eh, le dispositif qui a été mis en place ne leur permet pas de frapper des militaires. Maintenant, on s'attaque aux civils. Pourquoi s'attaquons aux civils Vous savez que c'est des gens qui ont l'habitude de rançonner les populations. Mhm. Peut-être que les populations font de la résistance. Parce que ce qui s'est passé à Tilia, non seulement ils ont massacré des gens, mais ils sont partis avec du bétail. Mais, mais partir avec du bétail, ce n'est pas dans un avion. C'est pas la même voie. Ils sont partis. Et vous savez, à Tilia, il y a un bataillon de l'armée. On me parle d'une trentaine de kilomètres du lieu où l'attaque a eu lieu. Bon, mais, c'est normal qu'on soit choqué de voir cette inaction. On a l'impression que les militaires sont dans le camp et ils, ils restent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction. Moi, ce qui me fait le plus mal, je vous assure, c'est le fait que ces gens-là puissent s'en tirer et retourner. Mais pour moi, il faut les poursuivre. Ne faites pas de prisonniers. Mais tuez-les tous si vous les attrapez. C'est pas la peine. C'est choquant. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de Tilia, les zones, les zones désertiques là, on est dans une situation où aujourd'hui, vous n'allez pas empêcher aux populations de, s'armer. Parce que c'est ce qui va se passer. Surtout des zones de Tilia. Des zones qui sont. Euh, qui, qui, oui, mais les gens vont, commencer à s'organiser. Oui, l'armée qui, ne réagit pas face à ces attaques. Mais on, ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui explique Mais comment on peut, comment on peut comprendre Certains disent que non. Et déjà, avant l'attaque, il y avait des informations que la population avait données sur le fait qu'il y avait des gens suspects à moto mhm. qui circulaient dans la zone. On n'a rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe Je vous assure, Fatih, il faut revoir le dispositif sécuritaire. Il faut revoir la hiérarchie au niveau des camps militaires qui sont situés dans cette zone-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais d'ailleurs, ce jeudi 25, à Tassara, pour rejoindre ce que euh, Memoun avait dit, il faut fouiller le village. Sur la base certainement d'informations, la gendarmerie est partie dans un village de Tassara. Elle a fouillé, elle a trouvé des individus suspects avec des kalachnikovs et des munitions dans un village de Tassara. Six personnes qui ont été prises par la gendarmerie qui est en train de mener des investigations sur ces personnes-là. Certainement, c'est les complices des terroristes. Certainement, c'est les terroristes. Peut-être qu'ils ont même participé aux attaques. Mais je vous assure, eh, les populations des zones frontalières, mhm. elles souffrent. Les populations des villages de Tilabiri et de la bande là, qui va jusqu'à Tilia, là, ces populations-là souffrent. Mais elles souffrent, vous savez de quoi Elles souffrent encore plus. Ce n'est pas les attaques des terroristes. Non. Mhm. Le fait qu'elles ont l'impression que eh, l'armée mais l'armée ne l'armée contre-attaque pas. Mhm. Et puis ne soyez pas toujours sur la défensive. N'attendez pas qu'on vous attaque. Non. Mais allez-y. Mais écoutez, les brousses qui sont dans, la zone de Tilabéry, vous connaissez toutes ces brousses-là. Mais bon sang, investissez ces brousses-là. Trouvez les terroristes mais tu les Bon sang Oui, monsieur <laughs> peut-on faire un quelconque lien entre l'arrivée récente euh, du contingent tchadien dans la zone euh, des trois frontières et la recrudescence euh, de ces attaques Non, s'il y, avait, y avait un lien, mm. les terroristes allaient attaquer soit le contingent tchadien ou le mm-hmm. contingent non. Les terroristes ont l'impression que ils peuvent tout faire. Je vous le dis, les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Au niveau de la bande, la zone des frontières ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire. Parce qu'ils viennent, c'est même pas des attaques de nuit. 17h pour Tilia, 17h. Mais 16h, 17h. C'est-à-dire, il n'y a pas de peur, on ne crée rien. Et moi, j'ai dit, j'interpelle les autorités mhm. en charge des questions de défense. Cette guerre-là, mhm. contre des gens qui viennent à moto, on ne peut pas la gagner dans le schéma classique de poursuite dans des voitures. Là où la moto rentre, la voiture ne peut pas rentrer. La moto peut rentrer dans un trou et sortir, la voiture ne peut pas rentrer. Il nous faut des moyens aériens ans. Il nous faut beaucoup d'hélicoptères de combat. Il nous faut, pourquoi pas, des drones pour pouvoir surveiller nos frontières. En tout cas, faire le maximum qu'il le faut. Mais le, schéma classique, là, attaque, poursuite dans des voitures, là, ça ne marche pas, Fatih. Ça ne marche pas. Ces gens-là, Ils on les évaporés dans la nature. attendez, s'il y avait euh, au niveau de, bataillon d'outil, s'il y avait un hélicoptère, surtout après l'attaque là. L'hélicoptère décolle, il voit ces gens-là. Il suffit de faire, de faire un, deux, tours avec un, ennemi oui. 24. <laughs> Maintenant, comment donc euh, le nouveau président, le nouveau chef de l'État doit-il renforcer sa politique euh, sécuritaire euh, en vue de faire face à cette insécurité Il y a deux choses à faire. Au niveau du recrutement, il faut revoir les modalités du recrutement. Moi, je pense que l'âge, pour rentrer dans l'armée, il faut qu'on le repousse j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez immatures, qui sont de l'armée. Mhm. Il faut l'amener, je ne sais pas si à 18 ans ou bien c'est combien, mais il faut l'amener. Il faut l'amener à 20 ans au moins, ou 20, ans. Pour permettre... Euh, oui, pour permettre aux gens d'être plus, plus, Parce que parfois, il y, a les nouveaux soldats. La durée, la durée de la formation. La de non, eh, eh, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, vous ne pouvez pas faire une formation classique, comme si c'est une entente de paix. Mhm. Il faut faire une formation antiterroriste à tous les militaires qui rentrent à Tondibia. C'est pas juste hein, on, t'apprend à tirer, papa, papa. Non, non, non. On t'apprend la lutte antiterroriste. Il faut que depuis que le soldat il rentre à Tondibia, qu'on puisse lui apprendre ça. Deuxième chose, il faut revoir les commandements au niveau de cette zone-là. Il y a quelque chose qui ne va pas, Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ces commandements-là. Il faut voir tous ceux qui sont, tous ceux qui a comme chef, les changer, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ce que ça veut dire. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression que la zone de Tilaberi et quelques zones de la région d'Ottawa sont en train d'échapper au, contrôle, des forces de défense et de sécurité. On en est là, Fatih. On en est là aujourd'hui. Et les populations, comme l'a dit, comme l'ont dit Hussein, comme l'ont dit, les populations ont peur. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire quand elles ont peur Si, soit elles quittent, ou elles décident de s'armer pour se défendre. Donc vraiment, il faut prendre cette chose-là au sérieux. On va écouter Hussein, bon, rapidement, moi, je veux dire, bon, je n'ai pas l'impression que ce n'est pas une affaire de formation. Ils sont bien mhm. formés. Tondibé a fait partie des meilleures écoles de formation, en tout cas de soldats. Non, non, non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le terrain. C'est ça le problème. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que dans des zones où on a interdit la circulation des motos, comme mhm. me dise qu'il y a une centaine de motos qui arrivent. Et c'est des zones militarisées. Mhm. Mais je ne peux pas comprendre qu'on me dise que des gens puissent venir à l'aise. Et dans l'après-midi, à 16h, 14h, ils tuent, ils pillent, emportent même du bétail et qu'on dise que non, on ne sait pas où ils sont passés. <laughs> Non, ils ne se sont pas volatilisés. C'est ça, il faut au niveau sur le terrain. Sur le terrain, et ne pas rester sur la défensive. Il faut aller à l'offensive. Parce que moi, je suis convaincu que si véritablement il y a quelque chose qui est fait dans ces zones-là, mhm. des gens comme ça, on aurait pu facilement les massacrer. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir attaquer, mhm. mais pouvoir fuir là, ce n'est pas possible. Mais Quatre heures de temps, vous êtes dans un village en train de jouer des gens qui, viennent, ils massacrent quatre heures de temps, et, qu'ils parviennent à s'en aller. C'est longtemps après que des gens vont venir constater juste les dégâts. Est-ce qu'on doit continuer comme ça C'est pour ça que j'ai dit, je, reviens sur ça. Il faut, il faut prendre en compte les villages là. Il faut contrôler les villages. Il faut contrôler maison les par villages. maison. Il faut contrôler les villages. Maison par maison. Ils peuvent pas s'évaporer dans la nature comme ça. C'est oh. pas possible. Ceux qui ont fait, peut-être ce sont eux-mêmes, quand tu vas les trouver dans le village là, tu seras même surpris. Parce que de trouver ce que tu vas trouver, je suis sûr que en fouillant ces, ces villages environnants, on va trouver beaucoup de choses. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse. Nous étions en compagnie de nos confrères Maimouna Diado, journaliste euh, freelance, euh, Monsieur Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation et Ousseini Issa, journaliste euh, freelance. Merci donc de répondre à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari et la technique Seini Issaka. Je vous rappelle que vous pourrez suivre euh, sur les 46 radios partenaires euh, du studio Kalangou le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche à 17h avec euh, l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 le forum en Hausa. Samedi, euh, sur la fête de Bianou d'Agadez et dimanche à la même heure, le forum en Germain sur l'agriculture intelligente au service de la sécurité alimentaire.